Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du Studio Kalangou, une émission qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité de la semaine qui s'achève. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la gratuité des soins pour les malades du paludisme entreprise par les autorités dans tout le Niger. Ensuite, il sera question du rapport 2022 de Chat Niger sur les incidences sécuritaire dans la région de Tilaberi. Nous parlerons également du centre de réinsertion socio-économique pour les ex-combattants des groupes armés non étatiques, les, relaxés et les victimes réceptionnées le 26 mai dernier à Hamdallah dans la région de Tilaberi. Enfin, de la politique avec le verdict de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Syriao, qui a débouté Mohamed Ousmane, candidat au second tour de l'élection présidentielle de 2021 dans l'affaire qui l'oppose à l'État du Niger. Avec nous dans ce studio pour analyser ces faits, M. Sidiko Haruna, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Abakari Arimi, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans un communiqué du 25 mai passé, le ministre de la Santé publique a rappelé la gratuité pour la prise en charge du traitement du paludisme et ce, quel que soit l'âge du patient. Mais selon Mme Germo Hadiz Jakou, la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, les produits antipaludiques sont disponibles dans toutes les régions du Niger. Néanmoins, elle apporte quelques précisions au micro de notre reporter Fikata. En cas de positivité du test qui est réalisé gratuitement, le relais remet aux patients les médicaments en fonction de son poids et de son âge. Au niveau des cases de santé et des CSI, nous mettons également à leur disposition les tests de dépistage rapide et les médicaments. Quelle que soit la maladie, pour avoir accès à la formation sanitaire, il doit payer un ticket modérateur qui varie de 900 à 1100. Et les médicaments du paludisme, quelle que soit la tranche d'âge, vous sont donnés gratuitement. Pour les enfants de moins de 5 ans, vous ne payez pas le ticket d'entrée. Si vous avez une autre pathologie qui est associée. Si vous vomissez, là, vous allez peut-être payer les antiémétiques. Si vous avez de la fièvre, oui, vous allez peut-être payer le paracétamol. Ici, nous parlons des antipalutiques. Cette situation que je vous donne, elle concerne donc toutes les régions de notre pays il y a une très bonne disponibilité de ces médicaments au niveau des formations sanitaires. C'était là donc euh, la coordinatrice euh, du programme national de lutte contre le paludisme au Niger sur la question de la gratuité des soins pour les malades euh, du paludisme qui a été entamé dans tout le Niger. Alors je commence par vous, Monsieur Armi. Quelle appréciation faites-vous vraiment de cette décision du gouvernement Écoutez, c'est une très bonne chose. C'est ce à quoi aspirent vraiment tous les Nigériens, je dirais. Aujourd'hui, euh, tout ce qu'on regrette, c'est euh, la période où tous les soins étaient euh, gratuits dans ce pays. Et donc, quand <coughs> on dit qu'une maladie comme le paludisme sera gratuitement soignée, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment ça va se passer et comment ça va se passer sur le terrain, mm-hmm. c'est cela le problème parce que euh, avec la gratuité de soins pour les enfants de 0 à 5 ans déjà, euh, on se rappelle de quiproquo qu'il y a eu. Mm. Euh, il y a eu des moments où on dit que quand le, la femme amène l'enfant, n'est-ce pas, on peut même ne pas euh, le soigner, mhm. ou bien on refuse parce qu'on ne doit pas donner, on leur a interdit, on a interdit aux infirmiers de donner euh, les ordonnances et tout. Mhm. Ils se contentent donc de donner 2, 3, 4 comprimés euh, de mhm. paracétamol et bye bye. voilà, donc ce n'était pas effectif. Et c'est pourquoi, pour ce cas précis de la prise en charge des, du paludisme, j'aurais bien voulu qu'on nous dise quelle quantité de produits, mhm. quel produit a été mis, oui, des précisions pour nous dire quelle quantité a été mise à la disposition des CSI, des centres de santé, des cases de santé, pour que euh, voilà cette maladie soit prise en charge, parce mhm. que normalement, on connaît, avec, notamment avec Mme Jacou, normalement, on sait à peu près, par exemple, l'année dernière, mhm. euh, combien de malades de palu on a eu dans ce pays. on a enregistré. Et sur cette base-là, donc, ce qu'on met à la disposition du centre oui. Mhm. Mais bon, ça c'est tellement c'est un peu vague et c'est venu comme ça. Surtout qu'on est à l'entame de la saison des pluies et c'est une période propice. voilà, moi je pense que c'est une très bonne chose et qu'ils doivent veiller pour que ça soit effectif vraiment dans la mesure du possible. On sait que c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Mais ça me tique aussi un peu quand on dit que non, euh, quand par exemple le malade se met à vomir, mais c'est dû au palu. On sait que le palu est toujours accompagné euh, de maux de ventre, de vomissements, de la fièvre mhm. et tout. Si pour tout soigner ça, mais c'est ça qui coûte cher effectivement. Mhm. Par exemple, même à la clinique quand vous allez, oui, on va vous mettre un sérum et on va mettre l'antipaludin là-dedans, mais euh, c'est toujours de vos galènes, c'est mhm. toujours. Mais oui, c'est bon, mais c'est pas arrivé. En fait. Alors vous, du coup, euh, Dumbia, êtes-vous vraiment optimiste euh, quant à la pleine application de cette euh, décision du gouvernement sur le terrain Écoutez, madame, oui, mais un gros mais parce que il aurait fallu que euh, l'on tienne compte ou bien que l'on tire toutes les leçons liées à un moment donné à la gratuité des soins des mm-hmm. enfants de 0 à 5 ans. Quand on sait que, comme remis Lafsian dit, les impairs qui étaient corrélés à, cette gratuité. J'aurais bien voulu qu'on tire les enseignements de cette gratuité pour l'appliquer mm-hmm. euh, au cas du, paludisme. Mm-hmm. Ça allait être bien, ça allait être bien si vraiment euh, on clarifie maintenant à entendre les propos de la coordinatrice euh, nationale du, ah. PALU. Euh, quand vous venez, euh, par exemple, non seulement il y a un ticket modérateur qu'il faille payer, mhm, mhm. et quand vous venez, si par exemple, Ademila l'a si bien dit, quand vous vomissez, mhm. donc il va falloir. Donc c'est en quelque sorte donner d'une main et retirer de l'autre. Aujourd'hui, tout le monde sait un secret de Polychinelle, Le palier est accompagné de plusieurs symptômes. De plusieurs symptômes. Ça, c'est un de deux. Il aurait fallu que euh, nous sachions euh, à peu près la quantité euh, mise à la disposition des différents CSI et au niveau des différentes régions, bref, dans tous les centres sanitaires. Mm. Parce qu'il ne faut pas occulter aussi le comportement de certains agents de santé. Sur terrain, Nos parents qui sont dans les campagnes, dans les villages peuvent venir. Certes, à la gratuité. Non seulement le paiement de ce ticket modérateur-là peut prêter beaucoup à confusion, mhm. parce qu'on leur a dit, venez, quand c'est le palu, euh, c'est gratuit. Mhm. Mais imaginez qu'ils viennent et qu'on leur dise, bon, à partir du moment où vous vomissez, ou à partir du moment où vous avez des céphalées, à partir du moment où vous avez tant mots eh, donc, il faut payer ce ticket modèle. Et ce n'est pas évident qu'ils aient la somme. Justement, selon le ministre même, il disait qu'il euh, y a une participation communautaire qui ne dépasse guère 1000 francs. Ça demeure d'actualité. Ça demeure toujours d'actualité dans Madame, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Mhm. Euh, avec euh, le, tout ce qu'on sait comme contexte sécuritaire et vu vraiment leur faible revenu, ce n'est pas évident qu'ils aient ces 1000 francs. Mhm. Donc, je dis, il faudrait vraiment que tout ça là soit clarifier la coordination nationale quand même à, sa possession des, données statistiques qui puissent vraiment être euh, euh, en conformité, en adéquation avec le nombre de, produits qui seront mis à la disposition des mm-hmm. CSI et des mm-hmm. autres centres de santé. Mm-hmm. Je reviens sur le comportement des agents de santé. Aujourd'hui, euh, quels moyens l'État a pour pallier vraiment à des indélicats qui pourrait être amené à même demander de l'argent malgré la gratuité. un bon suivi, c'est bien beau mhm. d'instituer, c'est bien beau de claironner comme quoi s'il y a une gratuité concernant le paludisme, mais il aurait fallu que les mécanismes soient mis à mhm. côté vraiment, non seulement pour qu'il y ait un suivi, mhm. pour qu'il y ait vraiment l'application effective et ensuite pour contrecarrer vraiment euh, d'éventuels indélicats qui seraient amenés à soutirer de l'argent à nos pauvres parents. Il faut donc un bon suivi euh, de cette euh, initiative Hein. mais selon vous, Armi, euh, outre cette, ce genre d'initiative, que faire euh, vraiment pour lutter efficacement contre cette maladie qui, euh, selon les données du ministère de la Santé, constitue 28% même de toutes les maladies dans tout le pays et 50% de tous les décès enregistrés Comment vraiment lutter efficacement ah mais moi j'en sais, hein, pour avoir été hospitalisé pour, la première fois mm-hmm. de ma vie à cause du paludisme il y a un an. Et donc, euh, on a dit que c'est l'hygiène, vraiment, euh, d'ailleurs, la meilleure façon de lutter contre le paludisme. Oui, avant, on faisait la prophylaxie, c'est-à-dire tous les enfants, à un moment donné de l'année, on, distribuait des produits. Et j'ai vu d'ailleurs l'année dernière, en mai encore, ça s'est passé. Et il semblerait que c'est efficace. Mais au-delà, c'est vraiment l'hygiène qui permet de lutter contre le paludisme. Mhm. C'est-à-dire les égouts, j'ai vu euh, les mairies ont commencé à vider. Euh, je sais que les gens vont laisser encore, ça va se réverser dans les trous. Mais et la population et les agents de l'assainissement, les mairies, les communes doivent vraiment veiller euh, ça, c'est ce que les spécialistes disent. Hein. Mhm. C'est mieux que toute autre chose. Mais au-delà, il semblerait aussi que le fait de dormir dans les moustiquaires. Justement, euh, euh, voilà, imprégné, oui, j'ai vu, j'en ai vu d'ailleurs, oui. Chez moi, j'ai, ils de déposé, j'ai vu. Euh, ce sont des choses qui contribuent énormément. Mm. Mais au-delà, donc, ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Mm. Mais aussi, la sensibilisation tout court, de plus en plus, ça ne ça ne mm-hmm. suffit pas. Une fois, j'ai eu à le dire ici, il faut agir sur le comportement. Donc on a besoin de, multiplier vraiment la communication, euh, de, proposer une bonne politique de communication pour le changement euh, de, comportement. Et ça, je crois que c'est cela qui parviendra à un peu, en tout cas, à faire reculer sensiblement mhm. euh, le taux de paludisme parce que c'est d'abord une maladie euh, très mortelle mhm, mhm. Euh, où il faut, là, on nous dit qu'on va prendre en charge plus ou moins, pour les, surtout pour les 0 à 5 ans, mais c'est les dépenses euh, aujourd'hui, dans les cliniques, c'est pas moins de 20 000 pour un cas de paludisme d'un enfant. Mm. Et donc, c'est aussi excessivement cher. Ça aussi, certainement qu'il n'y a certainement pas eu d'études à ce niveau, mm. mais le, nombre d'enfants euh, auxquels ça empêche d'aller à l'école, le nombre de travailleurs qui n'ont pas travaillé une semaine, voire dix jours dans l'année à cause du paludisme, mm-hmm. c'est beaucoup vraiment d'effets mm. que le paludisme cause au niveau de notre administration et au mm. niveau de la population tout mm. court. Et donc, vraiment, il faut sensibiliser sensibiliser à outrance. C'est une maladie vraiment grave et malheureusement, ça se transmet aussi banalement que euh, à la FADA, vous êtes en train de poser. Voilà, cette femme attrape. Tout le monde risque de l'attraper. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est que les, familles doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'eau qui stagne. Mm-hmm. Vraiment, les saletés doivent avoir, ou, les gens doivent savoir où, ils, doivent, ils doivent mettre l'eau, les eaux usagées. Mm-hmm. Et vraiment, pendant la saison de pluie, malheureusement, les rues de Namien, on sait ce que c'est. Mais vraiment, c'est à cela sur cela qu'il faut agir et je pense que c'est possible. On espère vraiment euh, qu'il y ait un changement de comportement venant de la population, surtout à la veille euh, ou bien à l'entame même de la saison des pluies. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre. Nous entamons le deuxième sujet de ce forum. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 136 incidents sécuritaires ont été enregistrés au cours de la période de janvier à avril 2022 contre 93 sur toute l'année en 2021. Ces incidents euh, sécuritaires qui ont presque doublé cette année ont provoqué le déplacement interne de plus de 58 000 personnes, mais par ailleurs 43 civils ont été tués et 22 autres enlevés dans les départements de Torodi, Tera et Gotaï, précise le communiqué d'OCHA. Mais pour l'heure, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 10% de financement, indique toujours le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au si du coup, euh, Doumbia, euh, quelle analyse vous inspire vraiment cette situation qui prévaut euh, Au regard de cette publication d'Ocha, ça ne peut que conforter en même temps inquiéter et davantage. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien sur la situation sécuritaire indépendamment de ce que les organismes du mieux qu'elles peuvent rapporter. Mhm. vous l'avez si bien noté, euh, quand on se réfère aux statistiques, elles ont pratiquement doublé. Et le pire est à craindre, surtout que euh, nous assistons de part et d'autre vraiment à des décarpissements où, les, où les populations sont sommées de quitter les lieux. Mhm. Et vous l'avez dit, à l'entame de la saison des pluies, maintenant leur point de chute ce serait où et les populations autochtones, ou bien là où elles vont être accueillies, ou bien là elles vont être relogées. Euh, comment est-ce qu'elles vont partager les richesses naturelles Bientôt, ce seraient les travaux des champs. Euh, on en a parlé tout à l'heure des cas de palu. Bref, c'est un foisonnement de risques. Les conséquences sont multiples, multiformes. Donc vraiment, euh, pour ne pas arranger les choses, pas plus tard qu'hier, euh, nous avions appris la suppression du poste, poste de contrôle de police à l'entrée de la ville. Mhm. donc ça ne peut ça ne fait qu'exposer davantage les populations. Mhm. Euh, donc euh, moi je pense que l'agence ou bien l'autorité ainsi que tous les acteurs se doivent de prendre vraiment le taureau par, par mhm, les cornes puisque la situation ne peut que s'empirer davantage du jour au lendemain et on a trop, trop, trop enregistré de pertes, de déplacés. Mhm. Euh, c'est dire que, franchement, les populations de cette euh, partie de notre pays en ont assez payé ce lourd tribut mhm. du seul fait de l'insécurité. Moi, je pense que euh, tous les acteurs, en premier l'État, doit vraiment revoir sa copie. Mhm et les acteurs et autres organismes doivent lui emboîter les pas pour essayer du mieux qu'ils pourront mhm. sauver ce qui peut encore l'être pour que la sécurisation des personnes et de leurs biens puisse être une réalité mhm. que devenir euh, leur euh, rabâcher les oreilles à mm. travers euh, cette batterie ou cette pléthore de dispositifs euh, qui, à l'épreuve des faits, euh, mm. sont nuls et de nul effet. Vraiment. Donc, cette situation, comme l'a bien dit Ousmane coup elle ne fait que dégringoler. L'impact, il est énorme sur la population, M. Arimi. Oui, quand on parle de 150 000 personnes vraiment déplacées mm-hmm. dans une vraiment petite portion, je dirais, de, notre territoire. Vraiment, c'est extrêmement grave. Et ça se passe malheureusement à la veille de la saison de pluie. Autrement dit, euh, certaines communautés vont passer deux saisons euh, sans pour autant avoir cultivé. Mhm. Et on sait déjà que toute l'Afrique de l'Ouest est déjà exposée euh, à la famine. On parle de 30 millions de personnes menacées, n'est-ce pas et la situation internationale n'est pas de nature à faciliter les choses. En tout cas, euh, rien que sur le plan de la venue euh, des céréales, on risque d'être confronté à des problèmes euh, sérieux d'ici quelques temps si la guerre en Ukraine ne finit pas. Justement, et donc ce qui fait que vraiment le gouvernement, comme l'a dit coup, doit prendre les taureaux par les cornes. Il ne faut pas quand la situation les Hausa disent un mm-hmm. c'est-à-dire donc on a beau oui trop compter oui il faut pas euh, trop mm-hmm. compter sur euh, les institutions internationales on les remercie pour tout ce qu'ils font mais euh, la spécificité de la de, de l'insécurité telle qu'elle sévit dans cette zone c'est que même les routes n'est-ce pas, sont de plus en plus pas du tout praticables, mm-hmm. n'est-ce pas Ce n'est peut-être pas le cas de Difa où les cas, les, personnes déplacées étaient autour du, goudron mm-hmm. et tant bien que mal euh, l'aide parvenait en son temps. N'est-ce pas Il y a des zones même qui sont inaccessibles. Inaccessibles, oui, inaccessibles. Et aussi quelque chose d'assez euh, particulier qui est en train de se passer, c'est que même les personnes qui sont chargées d'apporter l'aide, eux aussi, ils sont presque recherchés et en tout cas beaucoup déjà on ne sait même pas combien ont été tués. On parle récemment de quelqu'un de la Croix-Rouge qui a été tué vers Ayuru, ainsi de suite euh, les gens il y a et des enlèvements justement euh, donc tout voilà tout le monde est exposé et apparemment notre armée est pratiquement dépassé. Dépassé, on même, les FDS aussi sont exposés. Bien sont, la cible justement, justement. Et pas très loin de Niamey. Et pas très loin de, Niamey. Tout ça, ça se passe à, peu, à peu près à 50 km, 40 km, voire 40 mhm. km mhm. de la ville de Niamey. Donc vraiment, ça, euh, ça nécessite que le gouvernement prenne son courage à deux mains. On mhm. sait que c'est difficile, mais aussi on ne le sait pas mieux que parce que le président de la République l'a souvent répété que ces gens sont très armés, qu'ils sont là mhm. et qu'il est extrêmement difficile de faire face. Mais aussi, euh, Barkhane a été quand même euh, déployé mhm. chez nous. Euh, chaque matin, les riverains de la ville de Niamey disent qu'il y a des dizaines et des dizaines de véhicules mhm. ne font qu'affluer vers là où ils sont basés. Mais alors, est-ce que c'est le même problème qu'ils ont mm-hmm. eu au Mali qu'ils vont mm-hmm. avoir ici, n'est-ce pas Parce qu'on ne sent pas. On ne sent, sincèrement pas, Et malheureusement, même le communiqué le relève que le plan de réponse humanitaire même n'a reçu que 10%, de financement. Assez minimum Et ça, ça, doit attirer notre attention mm-hmm. de ce que nos amis du Nord prennent, comment ils prennent les choses. On a vu plusieurs crises se succéder et rien que pour l'Ukraine, pour, mm. pour vous avez vu comment pour la France, on a parlé de 400 millions euh, d'euros mm-hmm. déjà débloqués. Mm-hmm, mm-hmm. C'est un oui, les, États-Unis euh, ont fait voter un fonds pratiquement de 40, euh, de 40 milliards de dollars. Pour cette situation, tout ça, c'est trop pour nous tout ça, c'est extrêmement trop pour nous. Et si autant est investi, si autant de temps aussi est investi vraiment pour le problème que nous vivons, ce problème allait être résolu. Mhm. Mhm. Autrement dit, il y a deux poids, deux mhm. mesures dans la. Or, c'est une crise aussi grave, sinon plus grave que celle. C'est ça l'hypocrisie de la communauté internationale. oui, ah, voilà, il faut, se, il faut oser le dire. rapidement, vraiment, quelle autre solution envisageable vraiment pour faire face à ce problème? La solution, à mon humble avis, elle est toute simple, madame. C'est-à-dire l'État se doit de véritablement jouer son rôle régalien en prenant vraiment ses responsabilités et d'ailleurs ah, toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, elle est tellement infime, ce qu'on a eu à 10%, comparé à l'urgence de la sécurité, de la situation euh, sécuritaire. En Zarma, on dit, Autrement dit, quelqu'un ne va pas venir mâcher euh, ton, ton, ton, comment on appelle ça? La situation à, À ta place. Donc vraiment, il faudrait que euh, l'État se donne les moyens. Il se donne les moyens. On n'a pas on ne peut pas s'en passer de l'aide de la communauté interne. Mhm. Mais vraiment, c'est trouver les mécanismes savants pour essayer de à à l'interne pour y mhm. faire face. Ça, c'est un. De deux, vraiment, la population, euh, moi, je pense qu'elle aussi, elle a une partition à jouer. on ne cessera jamais de l'interpeller pour une collaboration, une collaboration entre elle et ses FDS. Parce que elle est nécessaire, elle est impérieuse, cette collaboration. Et à ces FDS-là, d'avoir un comportement responsable, un comportement vraiment euh, qui incite beaucoup plus à la confiance euh, qu'à la méfiance envers ces mêmes euh, populations. Donc vraiment, je pense que le Trimvira, population euh, FDS autorité, vraiment, il doit, avoir cette corrélation, cette collaboration-là, cette confiance que d'avoir la méfiance, puisque le contexte sécuritaire l'exige. Autre, oui, moi, je pense, que, de fait, et le gouvernement et le FDS doivent avoir confiance à la population. Mhm. Parce que euh, c'est elle qui est déplacée. et la population, celles qui ne sont pas directement concernées, déjà tout le monde apporte mhm. sa part, parce que la population qui accueille mais partage toutes ses ressources. Là alors, toutes ses ressources, mhm. même qu'il n'y a pas avec ceux qui sont déplacer. C'est tout ce que la population peut faire. vraiment. absolument, absolument. Donc c'est ça quoi. Autre sujet de ce forum, le centre de réinsertion socio-économique pour les ex-combattants des groupes armés non étatiques, les relaxés et les victimes a été réceptionné le 25 mai dernier à Hamdelai, département de Kolo, dans la région de Tilaberi. L'objectif euh, du gouvernement euh, nigérien à travers cette euh, initiative est de faire comprendre à ces jeunes qui ont pris des armes que leur place n'est pas dans le terrorisme, a déclaré Amadou Soleil le ministre de l'Intérieur, qui a présidé d'ailleurs la cérémonie. Alors vous, Armi, euh, que pensez-vous vraiment de cette initiative des autorités du Niger de créer un centre de réinsertion pour ces ex-combattants C'est toujours bien de rassembler les gens, d'essayer de les sensibiliser, de leur apprendre un métier, mhm. euh, mais c'est déjà fait. Dans Agudou Maria, les annonces été déjà, déjà créées. et voilà, j'en ai vu à Difa qui sont déjà, qui ont appris qui la mécanique, qui euh, malheureusement euh, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire ce n'est rien de varié d'abord. Parce que ce qu'on leur apprend comme métier, c'est toujours ou la mécanique, ou euh, d'être plombier, mhm. ou la couture. Mhm. N'est-ce pas Surtout pour les femmes, c'est surtout la couture. Or, si tout le monde fait la même chose, moi, je ne sais pas en quoi ça peut vraiment résorber le taux de chômage. Mhm. C'est vrai que déjà que quelqu'un apprenne un métier, euh, ça lui facilite d'apprendre un autre, même si c'est de lui-même. C'est une très bonne chose, mais non seulement il faut varier, et il faut peut-être vraiment creuser encore dans les ménages mhm. pour essayer de proposer de quelque chose vraiment de plus concret pour ces euh, gens qui ont peut-être qui ont déposé des ex-combattants là. Mhm. C'est une très bonne chose, mais on dirait que c'est pas suffisant. Moi, je ne sens pas trop. Euh, c'est vrai qu'il y a une transition déjà. Ils sont revenus, s'ils repartent directement dans la population, il peut y avoir des règlements de compte. Est-ce qu'il y a même un suivi euh, pour ces jeunes-là une fois euh, dans la société Est-ce que vraiment ils ont pu vraiment avoir une meilleure réinsertion il, y en a, a qui sont actuellement à DIFA et qui essaient de travailler, qui mm. essaient de mettre en place des, des choses. Euh, parfois, on leur donne un peu d'argent pour faire. Mais vraiment. Euh, c'est une très bonne chose. Hein. Et le passage dans le centre, c'est une très bonne chose parce que c'est une transition avant de retourner au sein de la mhm. population, parce que la population, elle aussi, il faut la sensibiliser à les accepter, mhm. parce que ce n'est pas des enfants de quelqu'un d'autre, c'est leurs propres enfants. Donc c'est une très bonne chose, c'est mhm. d'essayer vraiment encore de creuser dans les, ménages ménages. Peut-être la prise en charge psychologique, il faut mhm. aussi euh, l'améliorer et leur acceptation par la population qui est la leur. Ce n'est pas des, les enfants de quelqu'un d'autre. C'est donc, euh, une bonne initiative, mais selon vous, c'est euh, dit quels sont les vrais défis pour ces ex-combattants concernant leur réinsertion sociale les, le premier défi, moi, je pense que c'est l'acceptation. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit du copier-coller du camp de Maria parce qu'on a comme l'impression que euh, il faut faire pour le faire. Non, moi je pense que euh, on aurait dû s'inspirer, on aurait dû tirer les leçons, hein, les acquis. Mhm. Euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le cas spécifique de Maria pour transposer ça au cas de Hamdelay. Arimila si bien dit. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est des gens qui ont décidé de déposer les armes. Ah, donc euh, c'est un couloir obligé, un couloir obligé ces camps-là. Mhm. Mais il faudrait que euh, qu'il y ait de la variété. Par exemple, euh, aller au-delà ou bien trouver euh, d'autres alternatives. Aujourd'hui, euh, ce à quoi on euh, les initie, c'est-à-dire ils en sont combien dans la vie active comme ça Est-ce que l'État devrait aussi leur, leur, leur, garantir un emploi après vraiment la formation Non, l'État, non, c'est-à-dire indépendamment même de ça, c'est-à-dire il faudrait que l'État surfe sur deux tableaux. Le tableau de, de, de, de, de l'employabilité de ces, de ces ex-combattants, mm-hmm. mais aussi le tableau de l'acceptation par au, ah, niveau local, c'est-à-dire par les populations euh, de, là où se trouve le centre. Mm-hmm. Parce que pour beaucoup, c'est de bonne foi, à tort, ils ont décidé de déposer les armes. Mais comment faire comprendre celui-là à qui euh, c'est un frère, un cousin, machin, nombre de fois qui ont été tuer, qu'on dise que bon, voilà, c'est vrai, il s'est donné Tu vas, tu vas vivre avec lui. Et surtout, qui plaisait si ça se trouve que ce dernier est un, oisif, il est là, il ne mm-hmm. fait rien. C'est comme si c'est des privilèges qui ont été accordés à des gens qui, à un moment donné, ont causé du tort et qui se sont vus, cette fois-ci, euh, en quelque sorte, euh, obligé, si on peut obligé. Le, Donc, avec lui. Voilà, moi, je mm. pense qu'il faut l'acceptation et vraiment de voir la variété dans, la, dans leur employabilité. C'est bien beau de les occuper, mais il ne faudrait pas que euh, ça, ça, continue à donner l'impression du déjà-vu et du déjà-fait mm, mm, ailleurs. Alors, euh, nous passons au dernier sujet de ce forum de la politique. Avant, nous allons marquer une petite pause. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à CDAO, a débouté Mahaman Ousmane, candidat au second tour de l'élection présidentielle de 2021, de l'affaire qui l'oppose à l'État du Niger, a indiqué une source proche du candidat. Le verdict a été rendu le 31 mai 2022 par vidéoconférence au siège de la Cour à Abuja, au Nigeria. Pour rappel, Mohamed Ousmane a réclamé la victoire à l'issue du deuxième tour de la présidentielle en février 2021, remporté par le président Bazoum Mohamed. Arimi, quelle lecture faites-vous de ce verdict de la CDAO Bon, euh, je l'avais prédit ici même. Et je ne suis sincèrement pas euh, surpris. Mhm. Je ne m'attendais pas que du jour euh, au lendemain que la Cour de justice de la CDAO euh, décide euh, que c'est désormais Momo Ousmane qui est élu et que c'est Bazoum. Bazoum donc doit mettre fin à l'exercice de pouvoir qu'il a entamé depuis plus d'un an. Mm. Donc c'était pas moi pour moi c'est pas c'est pas surprenant, mais c'est un exercice et certainement qu'il a eu confiance euh, à la justice de la CDAO. Mm. Euh, peut-être que s'il avait eu raison selon cette même cour, peut-être qu'il allait lui donner donc cette raison-là. Mhm. Bon, selon cette cour, euh, il n'a pas gagné ces élections-là et mhm. donc les choses restent euh, en l'état. Et je, suppose qu'il va qu'il va l'accepter. Mhm. Je ne l'ai pas encore entendu après. Il ne s'est pas encore prononcé. Mais quand on a confiance à une justice, on sait remet à cette justice-là, donc les verdicts rendus, les verdicts rendus tels par, par, cette justice-là, il faut, euh, à mon avis, l'accepter. Et je pense que connaissant bien euh, la personne, c'est un ancien président de la République, mhm. il va certainement euh, l'accepter. Mhm. Et peut-être que les preuves qu'il a euh, qu'il a mis à la disposition de la Cour n'étaient pas suffisantes ou mhm. quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, moi je pense que euh, ne peut pas s'attendre à autre chose mhm. qu'à cela. Mais c'est une expérience, euh, je pense, unique euh, dans toute l'Afrique. Mhm. Donc nous avons bien joué en tant que Nigériens notre rôle de, laboratoire. Mhm, et, il n'y a pas que la rue, il n'y a pas que l'affrontement qui peut euh, expliquer un mécontentement à l'issue des élections. voilà, donc c'est un acte démocratique qui a été posé et qui a été mené euh, jusqu'au bout et vraiment, je crois que c'est la leçon à tirer de, de, de, cet acte posé par Maman, Maman Ousmane. Mhm. Maintenant, en tant qu'opposition, il y a encore du pain sur la planche dans ce pays. Mhm. Rien que des élections euh, qu'il a remises qu remis en cause jusqu'à aujourd'hui, il y a mhm. plein de choses qu'on a vues et que, euh, qui permettraient à une opposition n'est-ce pas, qui est l'autre pan du pouvoir, n'est-ce pas, de mettre vraiment en exergue son rôle d'opposition euh, et vraiment montrer à tous ceux qui ont eu confiance à, lui mhm. que vraiment euh, il y a quelque chose qui est en train de se faire et donc c'était lui le meilleur candidat qui ne l'ont pas pris. Donc il y a de la matière pour mhm, mhm, l'opposition il a, c'est fini, c'est une page qui est tournée. Mais voilà, nous avons plein d'histoires, de, de, défis dans ce pays. Vraiment, on n'a même pas besoin de signer, mhm. de, dire aujourd'hui. Quoi. Avant de venir à ce verdict de la Syrie, vous, qu'est-ce que vous pensez même de la requête de Mohamed Ousmane Était-elle raisonnable vraiment après les élections euh, Vous savez, hein, euh, Mohamed Ousmane, euh, avant tout, c'est un homme d'État. Il a eu à diriger ce pays-là. le premier président démocratiquement élu. Donc s'il a décidé euh, un tel recours devant les différentes juridictions jusqu'à en arriver à celle de la CDAO, c'est en connaissance de cause. Parce que euh, dans les mêmes conditions, ce n'est pas évident que euh, le camp d'en face ait, ait eu à agir comme lui il agit. En bon démocrate, en bon pacifiste. Mhm. Vraiment, euh, il faut lui tirer le chapeau. Même si par ailleurs, euh, depuis hier, nous avons remarqué notamment sur la toile euh, des internautes s'en prendre à, lui jeter l'anathème ou à lui le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mhm. Moi, franchement, je lui tire mon chapeau mhm. vraiment de son comportement responsable de démocrate. Ça ne peut que confirmer et le grandir davantage. Et il ne fallait pas se voiler la face, même si euh, depuis lors son avocat maître Leroana a clamé, n'a cessé de nous qu'ils sont en possession des preuves, irréfutables à l'épreuve des faits. Euh, ces preuves-là n'ont pas produit l'effet escompté. Mhm. Aujourd'hui, Arima l'a dit, donc euh, balle de fin de match pour Maman Ousmane. Il est un grand homme d'État. Dans cette opposition regorge des jeunes politiciens. Mhm ne serait-ce que l'encadrement, même si certains lui prédisent une retraite politique, ce qui n'est pas évident. Mm-hmm. Mais avant cela, moi, je pense que euh, vraiment, il se doit de jouer ce rôle de, de, de coaching, d'encadreur mm-hmm. euh, des jeunes politiciens. Euh, vraiment, un, modèle. Non seulement son comportement, mm-hmm. franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié et son comportement responsable. Hein? In fine, donc, il a épuisé toutes les voies de recours. Moi, je pense que l'opposition est attendue n'a jamais cessé d'être attendu sur plusieurs sujets, de véritablement jouer son rôle de contre-pouvoir et de veille. Donc moi, je pense qu'il euh, sera beaucoup plus utile et au président de la République vraiment de de, les solliciter, de les consulter, euh, parce que les défis en ce moment sont nombreux, multiples et multiformes, mm. auxquels, fait face le pays. Mm. Moi, je pense que chacun doit contribuer euh, à l'édification euh, de la nation pour que le pays sorte des sentiers battus. Vous, Arimi, selon vous, quelle sera vraiment la suite de, cette affaire Non, pour moi, en tout cas, pour ce qui est des élections 2020-2021, euh, je pense que c'est fini. C'est vraiment euh, non seulement parce que d'abord hein, la situation euh, dans, dans laquelle vit notre pays ne donne pas ne nous donne pas trop le choix. Mm-hmm. Et tous les vraiment toutes les forces vraiment de, de Momo Ousmane nous l'avons tous reconnu, Sidikou vient de le, de le dire, mm-hmm. c'est un grand homme d'État. Euh, il ne va pas faire une retraite euh, politique. Mm. Il n'y en a pas en la matière en politique. Euh, c'est-à-dire, même s'il dit qu'il va aujourd'hui, il va retourner à Zender, il va s'occuper des champs, mm il va toujours faire la politique. Donc il ne peut être que euh, politicien. Il peut être politicien sans pour autant être candidat. Mm. Il peut être politicien vraiment en faisant passer ses idées à travers peut-être plus jeunes. Voilà, une personne, ressource, vraiment. Aujourd'hui, Maman Ousmane est incontournable dans ce mm. pays. Mm. D'abord pour s'être fait élu pour la première fois démocratiquement dans notre pays, tout le monde l'a vu, n'est-ce pas Après, il a été euh, subi un coup d'État, mais tout le monde a apprécié son comportement depuis euh, le président euh, Barré jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une école politique en soi. Mhm. Et en cela, il est euh, incontournable à mon avis. Mhm. Et donc, ne peut être que politicien. Il va contribuer à la vie publique euh, de ce pays d'une manière ou d'une autre. Peut-être un jour que même si son parti ne gagne pas, il peut être euh, euh, dans, dans, dans, dans le, le, dans, le, pouvoir, comme on dit. En fait, il peut être vraiment un parti qui participe, oui. peut avoir un parti qui participe au processus dans le pays. Tout est possible. Vraiment, ne parlons même pas de son de sa retraite, mm. mais il y a trop à faire et l'opposition a du pain sur la planche. et aujourd'hui, c'est lui qui peut s'en occuper avec le reste des personnes qui sont à l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'il est possible euh, qu'il fasse recours de cette euh, décision de la CDAO je ne sais pas comment ça se passe, mais en toute euh, logique, peut-être qu'il peut y avoir. Son voilà. son conseil devrait tenir un point de presse à Pour le moment, en tout cas, mhm. moi, je ne suis pas euh, imprégné. Je n'ai pas les éléments mhm. nécessaires à euh, me permettant de me prononcer. Mais moi, je pense que mhm. même si recours il en existe, vraiment, la page doit être tournée. il, ne peut que consolider et avancer, ne serait-ce qu'à sa manière. Nous sommes donc euh, au terme euh, de ce numéro du Forum euh, de la presse. Merci à nos invités, Monsieur Arimi Chari de la radio alternative. Merci d'être venu. Ousmane Sidipou Doumbia, journaliste indépendant. Merci également à vous d'être venu. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 minutes les samedis et dimanches le forum de Studio Kalangu. La technique est assurée par Seini Isaka. La régie vidéo, Issa Lawali, Nafis Adam à la modération. À très bientôt sur le Studio Kalangu. Au revoir.